Je voudrais remercier tout le monde, remercier particulièrement les militantes et militants qui ont fait le déplacement dans un contexte assez particulier que traverse le parti, où il y a eu beaucoup d'amalgames. Je ne voudrais pas revenir sur les déclarations pertinentes des anciens qui ont une légitimité historique, contrairement à ce qui s'est dit, parce que M. Diop, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, faisait partie de cela qui ont porté avec les Messidiens et tous les anciens que vous voyez là, Maître Ablaïwad au pouvoir. Ils ont traversé avec lui les années de braise. Ils ont traversé avec lui tout ce passé émotif, pleinement chargé. Vous avez vu également au niveau des Thiès des figures emblématiques de la politique comme Saliou Mangan, je ne veux pas citer tout le monde, mais des gens qui ont eu à occuper de hautes responsabilités et qui sont en totale phase avec le secrétaire général national, le secrétariat et le comité directeur. Maintenant, pour répondre à notre ami Gustave, c'est vrai, il peut avoir l'impression quand il voit les gens avec la chaleur, mais rassurez-vous, nous avons une sérénité imperturbable aujourd'hui. Mais figurez-vous, tous les grands responsables du Parti démocratique sénégalais, tous ceux-là qui ont des responsabilités dans leurs localités respectives, sont totalement en phase avec Métoile. Il n'y a aucun maire significatif dans le groupe de, de, ce que j'appelle le groupe des, dissidents, des frondeurs. Je n'ai pas l'habitude d'en parler parce que, quelque part, Diarina l'a dit tout à l'heure, leur agissement n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Le Parti démocratique sénégalais, c'est un appareil solidement implanté, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, il y a une nouvelle donne, peut-être, qui a un peu euh, amené certains classiques du parti qui étaient en train de porter un coup mortels au PDS, ou bien qui étaient sur le point de vouloir le faire, mais qui n'en ont pas les capacités, ces gens-là sont débousselés par cette dynamique, cette déferlante carimiste, dont l'objectif n'est que l'élargissement des bases sociales du Parti démocrate sénégalais. Ça, c'est une fierté. Pas Moussé Diop l'a théorisé aujourd'hui. Déjà en 1996, date de l'adhésion de Omar Sarr dans le PDS, il y avait déjà beaucoup de militants et des responsables qui avaient fini de cheminer avec Watt pendant 22 ans. Et ces gens-là ont été relégués certains au second plan. Omar Sarr était promis. Pourquoi il n'avait pas contesté la relégation de ces anciens-là C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Nous, nous pensons aujourd'hui que ces individus-là sont instrumentalisés par des forces occultes. Mais malheureusement, ils devraient expliquer à ces forces occultes qu'ils n'ont ni les compétences, ni les capacités requises pour secouer le PDS. Le PDS reste fort dans tous les départements du pays aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora, il y a des motions de soutien qui tombent comme de petits pains, en soutien au parti et au réaménagement du parti. C'est ça la vérité historique. C'est vrai, il y a eu certaines personnes qui ont pensé qu'entretenir cette crise artificielle contribuerait à créer une situation de déconfiture au niveau des PDC. Mais il n'y a pas de crise en vérité. Les structures horizontales fonctionnent normalement, les structures verticales fonctionnent normalement, les cellules à la base, comme vous êtes en train de le voir, fonctionnent normalement, je pense que c'est ça une partie. Maintenant, ce que nous devons corriger en tant que nouvelle équipe, c'est l'inhibition de compétences. Il y a eu beaucoup de compétences qui sont parties parce qu'on les écartait. Il y, il y, avait du clanisme, du sectarisme. Il y avait aussi du sabotage. Vous-même, vous, vous avez constaté à un moment donné, le PDS était presque absent du débat public. C'était fait sciemment par des comploteurs qui voulaient tout simplement mais déstabiliser le PDS par des méthodes staliniennes, ça n'a pas passé. Le président en tant que visionnaire, il avait des réflexes de vigilance et de prudence pour rectifier le tir pendant qu'il était. C'est ça qu'il a fait. Le PDS reste fort. Le PDS sera à Thiès, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau du département. Nous allons dérouler un programme de massification, de maillage, d'élargissement des bases sociales du parti redorer le blason du parti, comme au de Boubacar Sall, de Moussa Diop, de toutes ces figures emblématiques Moïse qui ont porté Ablawad au pouvoir. C'est ça aujourd'hui le défi de cette nouvelle équipe. Donc, c'est pour rassurer tout le monde. La dynamique unitaire que vous êtes en train de voir n'est pas une unité de façade. Nous sommes totalement en phase. Vous avez vu Moïse qui était... Euh, qui est là. Mais c'est un pionnier de l'UGTL. Depuis très longtemps avec des Dramé. Vous avez vu nos, anciens anciennes mamans qui sont là, les Tavares. Tous les anciens sont là. Donc, c'est là qui parlait euh, qui, voulait soutenir l'argument selon lequel Karim Wade voulait jeter l'OPA au niveau du PDS. Je pense que ça, c'est la meilleure réponse. C'est la symbiose entre les anciens qui ont passé émotif avec Wade et cette nouvelle génération qui est venue pour renforcer, pour renforcer les bases du parti. Donc l'élargissement des bases du parti. Je pense que c'est à ce niveau positif qu'il faut voir les choses. Maintenant, nous, nous sommes prêts. Hein. Politique, la nuit fait. On est prêts. D'où nous n'avons PDS. Félicitations